journée de mobilisation Bon, vous savez, nous organisons, nous organisons cette journée de mobilisation d'abord dans le cadre de, pour célébrer la journée mondiale du tourisme, mais également pour rappeler que nous, nous sommes le réseau des journalistes en tourisme et pour la protection du littoral. Notre rôle, c'est d'informer, mais également c'est d'alerter. D'alerter par rapport aux difficultés actuelles que traverse le tourisme, qui sont connues de tous et sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Mais maintenant, la constance également, c'est que autant les autorités, donc les décideurs, les hôteliers, les artisans, les, tous les acteurs du tourisme, en tout cas, chacun se retrouve dans son petit coin, euh, comme et tout le monde se regarde en chien de faïence. Nous disons que ce n'est pas la bonne solution pour régler les problèmes. Il faut irrémédiablement régler des difficultés, pour causer, il faut débattre, il faut dans un bon débat pour régler euh, le problème d'une grappe de croissance qui nous, qui nous rapporte presque 350 milliards par, par, année. Et vous savez, tout le monde connaît les retombées du tourisme à Mour, principalement, si je dis, et à Sali, mais également de manière plus large sur l'ensemble de notre pays. Est-ce que nous devons laisser tout ça nous filer entre les doigts Nous disons non. Donc nous les appelons à la hauteur et au dépassement pour discuter, se retrouver autour d'une table et régler les problèmes du tourisme. L'autre point, il est lié à ce qu'on appelle la maladie Ebola. Vous savez, si vous regardez sur la carte, notre pays est marqué en ligne rouge pour demander aux visiteurs et aux touristes de ne pas se rendre au Sénégal parce que nous sommes frappés par la maladie Ebola. Nous disons non, parce que nous nous érigeons d'ailleurs en faux contre euh, un tel, dogme. Parce que vous savez, le cas importé que nous avions, comment il s'est terminé, il a été résolu également. Mais l'autre problème, c'est qu'au moment où certains nous parlent de, Ebola, les Français ont eu des cas importés, de même que les Américains et les Allemands. Mais est-ce que pour autant on a demandé aux visiteurs et aux touristes de ne pas se rendre dans ces pays-là eh, donc pourquoi aujourd'hui les Français demandent à leurs compatriotes de ne pas venir au Sénégal, ou en Afrique de l'Ouest plus généralement Pourtant, dans le même temps, 1000 militaires français en provenance de la guerre du Mali sont aujourd'hui dans un hôtel ici à Est-ce que si notre pays était frappé par la maladie Ebola, ces, ces militaires-là seraient là Nous disons non. L'autre facteur, c'est que nous connaissons l'origine de ce lobby. Il, il vient de Tahiti, il vient d'Haïti, il vient de la Guadeloupe, qui, rappelons-le, sont des départements français. Et ces départements-là, en rapport avec les grands tours opérateurs, mais également avec les pays Maghreb incarnés par le Maroc sont en train de se battre pour priver le Sénégal de cette manne financière, mais également de ce nombre de touristes pour les récupérer. Est-ce qu'en ce moment, nous, Sénégalais, nous devons tout simplement croiser les bras et dire que nous C'est vrai que nous sommes tous des musulmans. C'est en ce sens que nous disons que nous, nous sommes des Sénégalais. Ce sont les intérêts du Sénégal qui sont en jeu. Et quand les intérêts du Sénégal sont en jeu, il n'y a plus de Samba ou Amadou, il n'y a plus de Fatou ou Kumba. Nous devons tous nous lever et agir et défendre les intérêts de notre pays ensemble. ci waaw ni ñu ko waxee moo di tourisme bi la ñuy màggal tey ci àdduna bi yëpp te tourisme bi ku ne tourisme ci Sénégal nga ne mbuur wala nga ne Saly Portudal tourisme dinañu indil ak bu nekk lu war a toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki milliards ci koppar loolu du bonbon du wax xaalis xaalis la du yëfu naxe ñëpp xam nañ ko est-ce que loolu yëpp dañu war a teer toog seetaan muy nax saay déedéet beneen bi moo di ñëpp xam nañu ngëneel gi tourisme bi di indi ci Saly wa wala ci Sénégal yëpp rawatina nag département Mbour tey tourisme bi mu ngi jànkoonteeg ci ay jafe-jafe loolu duñ ci dellu si ana kan moo waral jafe-jafe duñ ci dellu si mais li am moo di ñi jiite ñi ñi yore tourisme bi ci wàllu nguur gi ñi jiite hôtel yi artisan yi transporteurs yi restaurateurs yi ku nekk yaa ngi toog sa kër jàpp sa njàmbur di xaar te amul waxtaan amul diisoo ñun dañu ne diisoo bu waxtaanul pencoo bu amul saaf jafé jafé yoy kenn mënu ko saafara kon bok dañ leen né ñom ñoo xam naka lañuy waxtané waxtaanee ñoo xam naka lañuy ñuy mais jafé jafé yoy nañu waxtaan rek ngir saafara ko beneen bi modi lu jëm ci walu fièvre Ebola bo xolé carte bi suñu réew dañ ko def ci benn tombe pour wax né bu kenn dem Sénégal parce que dañoo amé Ebola ñu ne ñun lool dañ koy wéddi ba tudd ci suuf parce que jamono ji ñuy wax né ñun dañoo amé Ebola mais France yónnee na fi 1000 militaires français yu joggé guerre Mali ñu ngi noppalu ci benn hôtel fi war fi def nak weer ak fukki fon ak juroom benen wal bi modi euh Amérique

jooju ñun Sénégal dañoo war a rek banque suñuy loxo dinaan ñu ngi xaar yàlla mu ñëw ñun ay jullit lañ ñun ñëpp ay jullit lañ waaye yàlla yàlla bay sa tool kon bokk xeex bi intérêt Sénégal lay nit ñi di xeex kuy xeex intérêt Sénégal amul Samba amul Demba amul Amadou amul Kumba amul Fatou ñun ñëpp ñoo war jóg xeex taxaw ngir xeex suñu intérêt mu bañ dem fenn parce que ñun ay journaliste lañ suñuy suñu suñu wër suñu suñu cër mooy yëgle mooy tas xibaar waaye it yëgal it autorités xew ngir ñu jël ci ay mandarga loolu lii nag dañoo bëgg autorité autorités surtout ci communication parce que si nous gagnons la communication rek dinañu la ci promotion promotion la communication ñoy avons kon ba kilifa yi nañu jóg wax ci communication parce que bu dul loolu ren dinañu dund saison touristique bi gëna une bonne bi dund fi ci saison touristique bi bu ko ken fatali octobre bi rek lay En tout cas nous sommes trop contents d'avoir participé à cette mobilisation parce que vraiment le, le, tourisme c'est quelque chose euh, qui fait travailler beaucoup de monde. On peut dire que même c'est un secteur transversal. Si ça marche, vraiment tout marche. Donc euh, si on voit des gens qui se mobilisent, qui, se mobilisent pour, que, pour la bonne marche de ce secteur, nous vraiment nous, nous, nous, y, adhérons. waaw finalement, je suis content bi ci comme nous di bañ a toog rek di di seetaan naan yàlla baax na yàlla baax na ñëpp dañoo war a jóg jàpp ci kon nag wax dëgg yàlla bu ñu gisee ay lu mel ay journaliste nga xam ne ñun artisan ñuy jaay ay touriste dañoo koy jënd kon ñun képp koo xam ne ki da ngay def loolu day dañuy jàpp sax ne ñun ñun ñi ngay liggéeyal wax dëgg yàlla ñun leen di gërëm di leen sant kontaan nañ ci lool te it nag lii bëggul sax mu ñu mu ñu arrêté ko si nii dañoo bëgg vraiment tous les deux mois sax ñu di ko def promotion de la communication de temps en temps. président conseil président commission tourisme artisanal conseil départemental de euh, donc le président Saliou euh, en tant que président que ay journalistes informer population bi population bi tourisme ci li ci am wàllu Ebola bi ci wàllu problème yi am ci tourisme yi ñu ciy waxtaan di ci xalaat di ci ba def ci benn kayit pour man loolu lu am solo la. parce que c'est pas évident mënoon ngeen yem seulement si seen euh, kii yi après ngeen liggéey seen li ngeen war a liggéey mais su ngeen jëlee seen décision nag waxtaan seen biir def benn document tënk ko pour xeex li nga xam ne mooy yàq tourisme yaakaar naa loolu lu am solo la kon loolu vraiment ñu ngi encourage journalistes yi di leen féliciter ci ci loolu. donc salon de ngeen di salon tourisme. Wa xam nga président commission tourisme ak artisanat c'est ce que je veux rek mais suñu projet ci la organiser en 2015 le premier salon de tourisme donc au niveau donc départemental te conseil départemental moo pour associer tous les acteurs du tourisme maanaam ñi les xam hôteliers, artisans les guides antiquaires yi ñëpp lañ bëgg organiser organiser pour que au moins ñu doon ci place waxtaan ku ne exposé ñu waxtaan def forum waxtaan ci walu tourisme donc au niveau départemental loolu inshallah allah fas yéene nañu ko def su ci conseil départemental bi àndee euh, donc en tant que président de la commission tourisme et artisanat loolu suñu suñu projet la te incha allah lañ ko taxaw ba loolu am incha allah. ci collaboration ak réseau journaliste yi. waaw journaliste collaboration am naa pare yéen yéen a ko njëkkee parce que su ngeen jëlee créer donc un réseau de journalistes ah, ci wàllu tourisme yaakaar naa yéen a ngi def ba seen waar te kenn kenn joxu leen dara am joxaguñ leen un franc teewul yéen a ngi bàyyi seen seen.

C'est un su ngeen demee si euh, journaux yi li ngeen fay wax maanaam wàllu tourisme ngeen wax suba ku ubbi suba journal muy bu mu nekk di nga gis tourisme dans le département de donc toute la population sera sera donc euh, nañ leen informé donc kon yaakaar a nekk premier premier premier partenaire conseil départemental ci tourisme Et, incha nous nañu gën a man c'est Alpha Sam, président de la commission tourisme artisanat du conseil départemental de Mbour bon vraiment je suis très content euh, que des journalistes qui laissent leur, euh, euh, travail venir donc, sensibiliser la population sur le tourisme, je ne peux faire que m'en résoudre. Parce que quand même, ce n'est pas évident. Vous pouvez vous dire que nous, on est des journalistes, on ne se charge que du côté de l'information, mais venir et s'impliquer dans le tourisme pour donner, pour comment dire, informer la population, sans sensibiliser la population sur les mots qui gangrènent donc le secteur, euh, on a parlé tout de suite de Ebola, parce que beaucoup de pays ont dit, surtout les Français, ont demandé à ce que leurs compatriotes ne viennent pas au Sénégal. Donc, euh, véritablement, pour moi, ça c'est. On n'a pas d'Ebola au Sénégal. C'est un cas importé. Ce cas importé a été importé aussi en France, a été importé en Espagne, aux États-Unis. Donc, pourquoi on n'a pas demandé à ces pays-là, de, on a, de ne pas aller dans ces pays-là donc parce que c'est le Sénégal, parce que c'est l'Afrique de l'Ouest. Mais quand même, euh, rassurez-vous, je pense que ça va aller. Et donc vraiment, je peux faire que, au nom du président du conseil départemental, vraiment, je peux faire que m'en réjouir et vraiment vous féliciter, vous encourager dans ce que vous faites, parce que vous êtes les premiers partenaires donc, euh, de l'État, donc du conseil départemental. Et Inch'Allah, dans l'avenir, de tout ce que nous faisons en matière de tourisme, nous allons y travailler avec vous pour que véritablement les populations puissent être informées à temps. oui, c'est un projet que j'ai, donc euh, parce qu'en ma qualité de président de la euh, commission tourisme et artisanat, et donc, qui dit tourisme dit artisanat, n'est-ce pas Donc, on s'est dit, Inch'Allah, en 2015, nous allons, si le conseil nous le permet, nous allons, Inch'Allah, organiser un, salon de tourisme pour quand même euh, permettre à tous les acteurs, les hôteliers, les artisans, les guides, les antiquaires, de se réunir, donc d'exposer, chacun à lui concerne ce qu'il fait, pour que véritablement qu'on puisse euh, vraiment euh, régler le problème définitivement donc, du tourisme à Hambourg et vendre aussi la destination, donc, euh, de, Salé, de Mour. Parce qu'il n'y aura pas seulement les, gens de mais il y aura donc des hôteliers qui viendront du Maroc et d'autres pays. Donc ils viendront quand même pour véritablement exposer et discuter ensemble. Il y aura des forums, il y aura des panels qui vont parler donc, euh, du tourisme donc, euh, dans le département de